Amis auditrices et auditeurs, chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers nos 59 médias partenaires, bonsoir et bienvenue au programme du studio Kalangu. Dans le forum de ce soir, nous allons aborder une question essentielle, une question qui concerne la femme. Le Niger, tout comme d'ailleurs ses voisins du Sahel, est confronté depuis quelques années à un défi sécuritaire lié à divers facteurs. Et cette crise sécuritaire affecte les conditions de vie des populations en général et en particulier celles des femmes et des filles dans les régions en proie à l'insécurité. Cette frange de la population, qui est la première victime, contribue aussi comme actrice de paix. Cependant, elles sont sous-représentées lors de la signature des accords de paix. Seuls 6% des signataires dans les processus de paix étaient des femmes selon les Nations Unies, malgré le rôle primordial des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité FPS révèle qu'entre 1992 et 2019, les femmes ne représentaient que 13% des négociateurs et 6% des médiateurs dans les processus de paix. Alors, la question principale à laquelle nous nous intéressons ce soir est la suivante. Quel est le rôle et la contribution de la femme nigérienne dans la sécurité de sa communauté Et pour avoir des réponses à toutes nos interrogations, quoi de plus normal d'organiser un débat intergénérationnel. Raison pour laquelle autour de cette table, nous avons Mademoiselle Kadizatou Idani, une justicière du Sahel. Nous avions également Madame Ibrahim Mariama Alassane. Elle est coordinatrice du réseau des femmes pour la paix, ancienne ministre et parlementaire. Nous avions également Madame Lawali Neino. Elle est superviseur au hygiène, assainissement au niveau de Oxfam dans le département de Wallam un agent de terrain qui côtoie jour et nuit les femmes, les enfants et les filles. Et enfin, nous avons mademoiselle Aboubakar Bizo Rachida, secrétaire permanent du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes, une organisation qui travaille aux côtés des femmes et des jeunes également. Je suis Olivier Assobavi pour la présentation de ce forum. Nous allons commencer avec cette première question. Je commence avec vous, Madame Ibrahim Mariam Alassane. Vous qui aviez été ancienne ministre, ancienne députée, aujourd'hui coordinatrice du réseau des femmes pour la paix. Au Niger, quelle place occupe la femme quand il s'agit de la sécurité de sa communauté, Madame Merci. Il n'est un secret pour personne que la femme, dans sa présentation discrète, elle joue un rôle extrêmement important dans le maintien de la paix au sein de sa famille, dans sa communauté, et ce rôle, elle pourrait le jouer également au niveau national. Hmm. Donc dès qu'il y a un conflit au sein de la famille, la femme a toujours été là pour apaiser euh, les cœurs, pour ramener la sérénité et pour amener la cohésion au sein de la famille. Ce rôle, elle le joue également au sein euh, de sa communauté de sa grande famille et la communauté. Et euh, des exemples sont là, ils font en région, et nous pouvons revenir là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de Boko Haram, on parle de terrorisme, mais le Niger a déjà connu des étapes très difficiles de son histoire. Quel a été le rôle que les femmes ont joué dans le temps les, femmes ont joué un rôle extrêmement important. Avant, à la veille de l'éclosion des mouvements de rébellion, il y a des femmes de la région d'Agadez qui ont créé une association des femmes contre la guerre. À l'époque, on trouvait ça exagéré qu'elles aient parlé de guerre. Euh, ces femmes ont joué un rôle extrêmement important pour ramener, pour euh, mettre en dialogue les rebelles et les, euh, le gouvernement, les responsables en place. Et notre réseau, le réseau des femmes pour la paix, nous nous souvenons que la coordonnatrice de l'époque, Madame Pembelo, avec euh, la vice-présidente du réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire, Madame Gazobi, et Madame euh, Ben Wahab, qui est également euh, présidente de cette association des femmes contre la guerre, se sont rendus à Agadez et avec l'appui des femmes, des familles, des membres des éléments de la rébellion, elles ont pu rentrer en contact avec euh, le chef de la rébellion pour ramener à de meilleurs sentiments et à prendre langue avec euh, le gouvernement. Donc ça, c'est un exemple au niveau national que nous pouvons citer de participation de la femme. Nous nous souvenons également qu'avec l'appel de Zender, une femme qui a lancé appel, la femme, en, lisant sa déclaration, elle a fondu en larmes. Une femme ne peut pas rester insensibles dans des situations de troubles et elles euh, s'autosaisissent de ces mouvements. C'est la même chose en ce qui concerne euh, le problème des Arabes Mohamed. Notre réseau a envoyé une euh, délégation pour mieux comprendre et pouvoir prendre position. Donc la femme ne peut pas admettre qu'il y ait des violences, qu'il y ait des conflits dans la communauté au sein de laquelle elle vit. On reviendra là-dessus. J'ai des exemples de femmes aujourd'hui qui jouent ce rôle au niveau de, nos communautés rurales. Comme vous l'avez dit, on reviendra là, là-dessus. Alors, Madame Lawali Neno, je me retourne vers vous. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans le département de Walam, région de Tilaberi, une région un peu secouée par euh, des problèmes de sécurité. Aujourd'hui, quand vous observez la situation sécuritaire, la place de la femme, est-ce que cette place a évolué, comme vient de le dire Madame Merci. Par rapport à la sécurité au niveau de Walam, moi je dirais que les femmes ne, sont pas touchées. Même lors des attaques au niveau village, ils ne touchent pas les femmes. Mm. Une seule fois, avec une balle perdue, d'après ce qu'ils nous ont raconté, donc une, femme a donné l'âme mm. à ce moment. Sinon, vraiment, les femmes ne sont pas touchées. D'accord. Et dans l'amélioration de la, de, de, la situation actuelle, est-ce que les femmes sont actives oui, elles font de leur mieux parce que euh, il y, a, les comités de protection qui sont là et, euh, les femmes sont membres de ces comités. Donc elles arrivent à sensibiliser les jeunes, les jeunes qui vont là-bas, de l'autre côté. Mm. Donc vraiment, elles arrivent à attirer leur attention pour qu'il y ait la paix pour qu'ils ne s'intègrent pas dans, ces, les conflits-là. Kadiza hmm. Khadija vous, vous êtes justicière de, du Sahel aujourd'hui. Quand vous, observez euh, cette situation et on vient d'écouter une autre génération qui ont connu, je euh, je dirais pas le passé, mais un passé récent et qui vivent notre actualité d'aujourd'hui. Quand vous écoutez ces deux générations, euh, cette génération, vous qui êtes de la nouvelle génération aujourd'hui, pensez-vous que les femmes sont assez impliquées dans ce processus euh, je dirais pas assez, parce que c'est vrai, il y a eu euh, beaucoup d'évolutions par rapport à la génération de nos aînés et la génération actuelle que nous sommes. Parce que nous avons au moins la chance que nous pouvons nous servir des leçons apprises du passé. On a des témoignages et aujourd'hui, il n'est un secret pour personne. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas parler de processus de paix et de sécurité sans pour autant parler de la femme, sans pour autant les impliquer. Pas parler de la femme pour dire qu'elle doit faire ci, elle doit faire ça, mais pour pouvoir l'impliquer, qu'elle ne soit pas bénéficiaire ou qu'elle ne soit pas exemple, mais qu'elle soit actrice dans ce processus-là, dans les négociations, dans tout ce qui concerne la sécurité et la paix, la femme doit être actrice. Il y a beaucoup d'efforts qui sont, qui sont en train d'être faits avec les femmes et les jeunes filles, mais quand même, je ne dirais pas que c'est assez. Il faut encore faire plus. Il faut mettre de, mettre de la rigueur dans tout ce que nous faisons et savoir mettre en lumière les compétences, la capacité que la femme a dans sa communauté au niveau national et même sous-régional aujourd'hui au Niger, les femmes nigériennes participent à tout le processus de la paix. Elles ont montré leurs preuves, elles ont montré de quoi elles sont capables et aujourd'hui on ne peut pas avoir la paix ni la sécurité sans les femmes et les jeunes filles. C'est impossible. Alors, Rachida Bizo, quand on écoute cette discussion, mm. qu'est-ce qu'on pense de la place ou bien du rôle qu'est en train de jouer les femmes nigériennes aujourd'hui dans le maintien de la sécurité dans leur communauté euh, Merci. Je pense que euh, le rôle euh, que joue la femme et la jeune fille est, primordial dans ce processus, justement parce que elles sont les plus vulnérables et les phénomènes de l'insécurité touchent beaucoup plus les femmes et les jeunes filles. Parce que en parlant d'attaque ou bien d'exaction, si même si on ne touche pas les femmes, les conséquences qui les récoltent c'est les femmes qui les récoltent. Parce qu'une femme qui en a privé de son mari, de son fils, vous pensez qu'elle peut vivre tranquillement dans cette société Non, je ne pense pas. Donc je dirais que elles sont touchées, mais indirectement. D'une manière ou d'une autre, elles récoltent les séquelles de ces différentes actions-là. Mm. C'est pourquoi, justement, leur action et les interventions qu'elles sont en train de mener pour sensibiliser leur fils, leur mari, à non seulement préserver la paix, mais aussi à la consolider est extrêmement important. Elles sont vectrices de paix. C'est elles qui cultivent le dialogue de paix. Donc, il est extrêmement important que ces femmes-là puissent non seulement participer au processus, prendre part au processus, mais aussi qu'elles soient actrices, comme l'a dit Khadija, parce que sans elles, je pense que nulle paix n'est possible, étant donné que elles sont vraiment le un pilier fondamental de la société dans laquelle nous sommes. Elles sont un pilier fondamental dans la société dans laquelle nous sommes et elles sont impliquées depuis longtemps. Comme l'a rappelé Madame Ibrahim Mariam Alassane, je suis avec vous, Madame Mariam. Comment on peut évaluer aujourd'hui euh, l'implication des femmes dans les processus de paix C'est simple. Il n'y a qu'à examiner euh, toutes les institutions, les structures qui ont été mises en place pour euh, traiter de cette question de la paix. Euh, il faut voir la représentation en leur sein des femmes. Euh, les femmes sont sous-représentées. Et si on pense à mettre une femme, même si elle est là, je ne suis pas certaine qu'elle joue pleinement le rôle attendu d'elle. Est-ce qu'elle a la parole Est-ce qu'elle est impliquée réellement pour donc, c'est à cette première chose. Toutes les institutions, euh, vous avez au niveau national des, organes qui sont mis pour euh, le dialogue. Euh, il, faut, il faut faire il faut vérifier de ce côté-là si la représentation des femmes est importante. Il y a ce que nous appelons les structures du code rural au niveau des zones rurales qui sont là pour euh, apaiser pour, euh, et prévenir les conflits euh, liés à l'accès aux ressources naturelles. Là-dedans, dans les commissions foncières, qu'elles soient de base communale, départementale ou régionale, vous verrez que la représentation des femmes, on leur a donné deux places et ces deux places, hein, le choix de la femme, on ne sait pas comment ça se fait. Il y a un tas de, choses que vous pouvez vérifier euh, si elle est. Euh. Donc, euh, c'est assez facile. Et au niveau national, n'en parlons pas. Je ne sais pas si dans les délégations de médiation ou qui traitent des questions post-conflit ou si les femmes sont impliquées, moi je n'ai pas connaissance. Donc, euh, c'est ça les, les critères, c'est ça les, les indicatifs euh, de l'implication de la femme. Mais avec des partenaires avec lesquels nous travaillons, il y a des expériences euh, très, très probantes vous allez nous raconter ces expériences-là dans quelques temps, mais en attendant, je retourne vers Madame Amina Lawali Neno. Vous qui êtes agent de terrain aujourd'hui, quand on prend un aspect de la sécurité euh, euh, dans, un département comme Walam ou tout autre ailleurs, si on doit donner, ou bien si on donne des responsabilités à des femmes, qu'est-ce qu'elles font concrètement elle peut, être, elle peut jouer le rôle de, ou disons, mobilisatrice. Hmm. Et elle peut aussi elle a, été, elle a joué toujours un rôle de rassembleur. Elle peut aussi régler les litiges et conseiller les hommes. Mm. Au sein de la communauté, la, femme aussi, elle peut participer au règlement des litiges entre les communautés. Mais est-ce que c'est des responsabilités qu'on donne aux femmes réellement Est-ce que vous, vous avez déjà vu une femme aujourd'hui, chef de délégation, aller négocier une paix C'est en fait ces gens de... Non, non, non, non, non, non. En tout cas, je n'ai jamais vu ça, mais elles font partie, elles sont membres des, des comités. Par exemple, les comités de protection, il y, a, beaucoup de femmes et filles qui sont membres, mais pas euh, désigner une femme qui va aller gérer seule les conflits. Mais au sein des communautés, comme je vous ai dit, au niveau des, des, hommes, des jeunes, là, elle les conseillent, elle attire leur attention de ne pas s'impliquer dans, euh, dans ces genres de conflits. Tui Tuidani, on a compris que le rôle de la femme dans, jusqu'alors, hein, et, sa contribution dans la sécurité de sa communauté se, limite toujours à ce rôle de mobilisatrice, euh, limite mobilisatrice, conseillère. Est-ce que c'est assez pour avoir de la paix, pour, avoir une paix Non, absolument pas. Absolument pas. Euh, le rôle de mobilisatrice, de ça, tout le monde peut jouer ce rôle-là. Vous savez, tout à l'heure, je disais, la femme c'est le pilier. Et nous vivons tellement de situations. Quand on prend tout à l'heure, Shida disait, quelle qu'en soit l'insécurité, tout ce qu'il y a, au fait, c'est pas que les femmes sont vulnérables, mais c'est parce que nous supportons tout. C'est nos maris, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est et c'est nos sœurs qui en subissent. C'est normal que nous puissions sentir ça dans notre âme. C'est normal que nous soyons sensibles à ça. Et c'est pour ça que quand la femme, sur les questions de la paix, quand la femme est responsabilisée, elle saura par tous les moyens travailler d'arrache-pied, se donner à fond dans cette situation parce que c'est une réalité qu'elle vit dans sa chair pour pouvoir obtenir, pour pouvoir ramener la paix dans sa communauté. Réduire la femme aujourd'hui au rôle de mobilisateur, de facilitatrice ne peut pas nous aider à régler le problème. Les compétences, nous en avons. C'est tout à l'heure, comme Madame la ministre était en train de le dire, et avec aussi la tanti, nous avons des histoires qui sont là. Nous avons, nous fait, les femmes ont fait leur preuve. Mais nous assistons à un monde dans lequel on est toujours en train de régler, reléguer la femme au second rang souvent les gens n'arrivent pas à se départir de leurs émotions personnelles, de leur vision d'eux-mêmes pour voir l'intérêt général, pour voir la capacité de la femme, ne pas la réduire à sa statut de femme, mais d'être humain qui a des compétences et qui est capable de résoudre un problème général que nous subissions tous. C'est là le problème. Et il faut que nous passons, nous allons au-delà de ça et qu'on puisse vraiment responsabiliser la femme réellement, que ça ne soit pas juste des politiques et des discours, des témoignages, parce qu'aujourd'hui, quelle qu'en soit la personne qui va parler, on va reconnaître cette capacité à la femme. Mais pourquoi on ne responsabilise pas la femme C'est la question, c'est la question qu'on se pose. Alors ce soir, chers amis, nous sommes en train de parler, nous parlons des femmes dans nos communautés et leur rôle dans la promotion de la sécurité. Et je pense surtout à celles qui ne sont pas dans les instances de décision. C'est la femme rurale qui aujourd'hui euh, euh, nous écoute ce soir. Alors Rachida, je me tourne vers vous. Tout à l'heure, nous disons qu'il ne s'agissait pas de faire participer uniquement la femme, mais qu'elle devait être actrice. Actrice comment C'est que le rôle qu'elle doit porter, c'est pas qu'il lui est dévolu, parce que quand on dit dévolu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui lui confie ce rôle. C'est que elle-même, elle doit entreprendre d'elle-même, c'est que elle doit euh, se lever pour se dire que moi, en tant qu'actrice, en tant que, en tant que pilier fondamental de, cette société-là, il est extrêmement important que je puisse valablement représenter cette société pour que cette société demain ne puisse pas me demander des comptes. Moi, je pense que euh, pour la question de, de, responsabilité, euh, c'est pas assez. C'est vrai qu'il y a des, des, pas qui sont en train d'être faits, mais c'est pas assez. Surtout, surtout si on parle de la, de la femme rurale les comités villageois de paix sont mis en place. Mais allez, savoir comment est-ce que ces comités-là sont mis en place. Ces comités, comment est-ce que la participation des femmes est faite Soit on lui confie le rôle de secrétaire, ou bien on lui confie le rôle de, euh, de, trésorière. Parce que nous, on se dit que elle, la femme, de, sa sensibilité et aussi, euh, comment on dit, euh, sa, sa, responsabilité qu'elle sent, elle ressent au, à, l'endroit de, sa communauté, il va jusque dans la génération présente, mais aussi dans la génération future, parce qu'elle, elle regarde d'ici 10 ans, par exemple, qu'est-ce que mes enfants vont devenir et cette société, comment est-ce qu'elle va les accueillir. Le débat continue. Alors, dans les régions, par exemple, euh, euh, Madame Ibrahim Mariama Alassane, dans les régions, par exemple, les questions sécuritaires sont gérées par le gouverneur. Et parmi les huit, on ne compte aucune femme. Madame, qu'est-ce qui expliquerait cette non-représentation des femmes à certains postes stratégiques Aujourd'hui, la haute autorité pour la consolidation de la paix est dirigée par un homme. le WACF, le Fonds pour aider les veuves, est géré par une femme. Est-ce que c'est un prolongement politique de ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau Bien sûr. Notre société est dominante, euh, dominée par les hommes. Ils prennent les décisions et ça se reflète dans euh, les responsabilités et la conception de tout, y compris ce qu'elle vient de dire, les comités de, de, paix. Ceux qui les ont conçus et mis en place, ils sont à dominance homme. Et euh, ils ne pensent pas à... Il y a une expérience qui a, que, je voulais vous dire tout à l'heure, où c'est carrément des femmes qui, qui, qui mènent euh, le jeu. C'est l'expérience des femmes médiatrices que nous avons euh, dans les départements de Boboy, à la région de Dosso, de Madaroufa à Maradi, où on a 600 femmes médiatrices qui ont été formées. Parce que nous savons, dans nos zones rurales, les principales causes de, de conflits, c'est les relations entre les éleveurs, les, agriculteurs et d'autres euh, corps de métier tels que les extracteurs de, de les, avec les éleveurs parce qu'ils troublent les eaux ou entre éleveurs eux-mêmes. Bon, donc, on les forme dans les rudiments du code rural, on les forme en médiation et on les responsabilise pour ce qui concerne euh, justement la paix. Est-ce que c'est une, euh, une, initiative gouvernementale ou bien c'est une, de la société civile C'est une initiative de, nos partenaires. Donc de la société civile. L'ONU de la société civile et que nous, nous avons eu à, exécuter. Donc ces femmes médiatrices aujourd'hui dans ces régions, vous êtes témoins parce que tous les ans, normalement, vous, à la radio, on vous rapporte chaque fois ou à la télé des bagarres entre agriculteurs et éleveurs. Depuis un certain temps, vous n'entendez plus parler de ces bagarres. C'est l'action de ces femmes médiatrices. Il y a dix femmes médiatrices par village qui s'autosaisissent. des, elles font d'abord la sensibilisation. Elles sensibilisent leurs concitoyens sur l'accès à la terre, aux espaces de pâturage, les couloirs de passage, la réparation euh, des dégâts champêtres. Tout cela, elles sensibilisent. Et parce que euh, euh, un problème mal réglé ou l'ignorance même amène à, des conflits et à, retarder. Et cette, expérience-là, c'est une expérience qui a très bien marché selon vous. Qui a très bien marché parce que le nombre de conflits dans ces zones qui sont reconnues au plan national comme des zones où les conflits sont récurrents chaque fois en début euh, de saison de pluie ou à la fin de la saison de pluie, c'est toujours des, conflits. Donc, depuis l'intervention de ces femmes, et ces femmes ne se sont pas limitées à cela. Ces femmes se sont autosaisies des, des conflits communautaires entre des communautés. Elles se sont saisies des problèmes même de conflits entre mari et femme, entre coépouses, entre pour la cohésion sociale. Et vraiment, ça, ça marche très bien. Et elles sont respectées, elles sont acceptées. Elles sont acceptées aussi bien des autorités euh, administratives que des autorités coutumières. Parfait. Merci beaucoup, madame, pour euh, ces éléments de réponse et ces expériences qui, que vous avez décidé de, que vous avez choisi en tout cas de partager avec nous. Chères auditrices et auditeurs, chères téléspectatrices, si vous venez de nous rejoindre, le thème de notre émission d'aujourd'hui est axé sur le rôle et la contribution de la femme nigérienne dans la sécurité de sa communauté. Nous sommes au studio avec Madame Lawali Neno. Elle est superviseure eau, hygiène, assainissement au niveau du département de pour le compte d'Oxfam. Nous avons également Madame, Mademoiselle Aboubakar Bizo Rachida, secrétaire permanent du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes. Nous avons avec nous Madame Ibrahim Mariama Alassane, coordinatrice du réseau des femmes pour la paix. Et nous avions Kadiza Tuidani qui s'est improvisée justicière du Sahel pour le débat. Alors le débat continue cette fois-ci avec un autre aspect, celui des moyens. Quand on parle de la sécurité, qu'on soit femme ou homme, il faut nécessairement des moyens humains, financiers, matériels et structurels surtout. Khadija, penses-tu aujourd'hui que les femmes ont ces moyens pour en tout cas assurer la sécurité de leur communauté ou bien contribuer à assurer la sécurité de leur communauté Avant de répondre, je voulais un peu préciser euh, par rapport à mon rôle du justicier du Sahel. Justement, c'est toujours euh, un programme sur, euh, de Oxfam mm. sur les inégalités au Sahel. Ils ont fait des, un peu des enquêtes toujours sur leurs interventions pour voir des profils qui sont en train justement de lutter sur des thématiques bien spécifiques concernant les inégalités au Sahel. Donc pour le compte du Niger, on est trois dont j'ai eu l'honneur de faire partie. Au Sahel, il y a des profils comme ça qui ont été identifiés. Voilà, maintenant tout est clair. Tout est clair, je ne me pas improvisée. <laughs> maintenant pour répondre à la question, tout ce qu'on est en train de dire justement, il nous faut des moyens que ce soit humain, financier et matériel, pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir mener à bien, de pouvoir euh, réussir euh, cette mission-là, ce combat-là. Et par rapport à ça, aujourd'hui, euh, je dirais que au-delà de nous, notre engagement en tant que femme, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons énormément de partenaires. Mm qui nous accompagne. Et c'est aussi une façon, euh, l'État est aussi là, parce que peu importe ce que nous voulons faire, tant que l'État ne nous accompagne pas, tant que l'État ne nous accorde pas son accord, sa confiance et tant que le contrôle, les partenaires sont aussi là parce que l'État les a permis d'être là. Donc je dirais que le premier soutien, c'est d'abord l'État. Oui, et maintenant à travers les partenaires techniques et financiers qui sont là, ils font énormément de choses d'appui structures des femmes, justement pour pouvoir former et responsabiliser les femmes, comme Madame la ministre a eu à le dire. Et c'est vrai, c'est pas assez. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, c'est pas assez, mais ça vient. Mais quand même, je dirais que de ce soutien-là, il y a euh, une base qui est là, il y a déjà un minimum sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir faire tout ce que nous sommes en train de faire et n'a qu'à voir l'exemple que Madame la ministre a donné tout à l'heure avec ces femmes facilitatrices et médiatrices et avec le travail énorme qu'elles sont en train de faire. Imaginez si elles ont encore plus de moyens plus de responsabilités, plus d'opportunités pour pouvoir faire encore plus. Mais je dirais qu'on va régler tout simplement le problème du Niger. Imagine que dans tous les villages au Niger, dans les communes, on a des initiatives pareilles et des femmes comme ça qui se battent pour régler tout ce qui est problème, tout ce qui est conflit dans la communauté. Je crois qu'on va attaquer le problème à la base, à la source et on pourrait vraiment. Donc la question des moyens reste encore une question encore une sur réfléchir. La Alors Madame Amina Lawaline, vous, aujourd'hui, vous êtes agent de terrain. Comment vous travaillez avec les autorités C'est-à-dire comment les autorités vous approchent dans les communautés pour en tout cas aider à, régler les conflits eh, <clears throat> donc, je peux parler par exemple le euh, merci conflit autour du point d'eau, mhm. comme c'est ce que je. Ah oui, c'est ce que vous gérez. <laughs> Oui, oui. En tout cas, eh, eh, parmi les membres du comité, il y a des femmes qui existent, qui règlent, et, qui règlent eh, eh, l'accès au point d'eau pour qu'il n'y ait pas eh, vraiment des, de perturbations, ou de conflits autour du point d'eau. Hmm. Il y a des femmes qui règlent les usagers par rapport à l'ordre d'arrivée, comment il faut faire payer l'eau au niveau de la borne fontaine. Hmm. Là, vraiment, maintenant, ce problème-là, vraiment, tend à disparaître. Hmm. En tout cas, là, elles ont joué un rôle. Mais ce que je voudrais attirer l'attention de nous, euh, qui sommes toujours sur le terrain. Par exemple, quand on choisit une femme euh, pour un poste, mhm. c'est à nous d'exiger à ce que cette femme-là joue, met en œuvre ses rôles de ses postes. Il ne faut pas laisser, on dit de non, la femme, elle est présidente ou trésorière, mhm. mais elle ne joue pas le rôle de trésorière. Quand vous venez vérifier la caisse, vous trouvez la caisse avec un homme. Elle est là de non. Il lui communique, il faut dire que c'est tel montant. Non. Maintenant, c'est à nous à nous, nous qui sommes euh, acteurs quoi, mhm. sur le terrain, mhm. vraiment d'exiger à chaque fois, il faut toujours attirer l'attention des hommes. Ces femmes-là ont été choisies en assemblée. Mhm. Donc il faut leur laisser jouer leur rôle. Elles ont reçu la formation en même temps que vous. Elles, connaissent leur rôle. Donc il faut les laisser jouer leur rôle. Donc vous voulez dire que même celles qui ont des responsabilités, on ne leur donne pas assez de moyens, assez de temps, on, leur confisque, oui C'est ce que vous voulez dire Oui, des fois, pas à 100%, ça commence à s'améliorer maintenant. Mhm. Mais Vraiment. Madame, est-ce que c'est un fait nouveau ou bien c'est quelque chose que vous avez déjà constaté euh, depuis euh, votre long parcours La confiscation. Ou la confiscation des, rôles, oui, Mais vraiment, moi, je pense que c'est lié à la personnalité de la femme elle-même. Mm-hmm. Parce que quand tu t'engages devant une assemblée à remplir un rôle, tu dois tout faire pour que ça soit toi, parce, que puisque c'est ta responsabilité quand même qui est engagée, tu dois refuser que quelqu'un te parraine ou qu'il te substitue, à toi pour jouer ce rôle. Donc, euh, je pense que c'est ça, c'est fonction. Mais la tendance, elle est là, elle existe. Hein. Elle existe euh, dans, dans, tous les domaines. Même euh, au niveau supérieur, vous verrez toujours un homme qui pense que celle-là, elle ne comprend rien, elle est, euh, c'est une femme, c'est, n'est pas son rôle. Il faut que je l'encadre, ou bien il faut que je prenne le devant, ou bien il faut que je l'incite à faire ci, je l'incite. Mais euh, c'est la personnalité de la femme qui doit jouer là pour euh, arrêter cette tendance. Et bon, peut-être que qu'après les avoir installés, il faudrait les prendre un peu en, en, formation, en briefing pour leur dire, voilà, que tu dois faire ou même la doter euh, des, moyens de travail, des formulaires de travail. Alors, Madame, Ibrahim, vous nous, tenez une très bonne perche. On parle là des moyens. Les moyens ne sont pas seulement financiers, ils sont aussi structurels. Vous, aujourd'hui, avec une grosse expérience derrière, est-ce que vous avez déjà entamé euh, des processus pour, en tout cas, transférer toutes ces compétences, toutes ces valeurs, toute cette histoire que vous avez, en tout cas, construit autour de la résolution des conflits à travers les femmes, avec les femmes, à la nouvelle génération qu'on a en face de nous aujourd'hui, Madame mais nos, membres comptent également des, des, femmes beaucoup plus jeunes que nous. Mm. Nous travaillons dans les mêmes euh, euh, structures et euh, notre direction au niveau de, de REFEPA, elle est collégiale. La coordination comporte au moins six membres et dans ces six membres, peut-être que nous sommes, je suis la plus la plus âgée, il y a des femmes beaucoup plus jeunes mm. euh, qui nous voient faire et euh, on les incite. Mais euh, il est important de les attirer au sein de ce mouvement pour qu'elles fassent leur apprentissage, que leur expérience, comme ça, même si nous venons à partir, elles sauront il faut que l'histoire continue. L'histoire continue, la relève soit faite. Et c'est ça, c'est extrêmement important c'est extrêmement important de préparer la relève. Mhm. Vous, aujourd'hui, à Wallam, comment est-ce que vous aidez, euh, quand je parle de vous, je parle d'Oxfam, comment vous aidez les femmes de Wallam aujourd'hui à répondre aux problèmes de sécurité de leur communauté, madame Par rapport à la sécurité dans la ville de Wallam Si vous voulez, vous nous parlez surtout euh, au niveau des points d'eau, il n'y a pas de problème. <laughs> oui, en, en, tout cas, c'est au niveau des points d'eau que je maîtrise vraiment. Voilà <laughs> Parlez-nous de ce que vous maîtrisez alors, madame. Euh, donc, par rapport aux points d'eau, il y a des heures où les femmes vont chercher de l'eau. Mhm. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on appelle le règlement d'accès. Mhm. Pour ça va permettre aux femmes d'aller librement sans problème pour euh, puiser l'eau et revenir à la maison sans problème. Et il y a les moments où les hommes vont, il y a les moments où les éleveurs, où c'est les éleveurs qui vont. Mhm. Et tous ces problèmes-là, M. Olivier, c'est dû à je dirais, à, à, la scolarisation de la jeune fille. Ah ouais En tout cas, si, si la fille n'est pas... moi, je parle du monde rural. Mhm. Si la fille n'est pas scolarisée, vraiment, il y a toujours ce problème qui persiste. Les femmes ne peuvent pas prendre, même si elles ont un poste de responsabilité, bon, ça commence vraiment, c'est pas assez, ça reste beaucoup. Elles ne peuvent pas eh, prendre la décision à nager, s'éteindre debout. C'est pas toute femme. J'ai fait 20 ans sur une moto d'été dans, au niveau de la région de Maradi, et, comment on appelle Tawa. Et... Mais quand les femmes me voient, hmm. il y a des directeurs même qui me demandent, des directeurs d'école, de, venir faire des sensibilisations au niveau des, des classes d'examen. Parce que les mamans, là, elles disent aux enfants, filles, quand vous allez à l'école, là, lors du le jour des examens, il ne faut rien écrire sur vos papiers. Donnez les papiers comme ça. Hmm. Mais l'année, là, quand j'avais fait, hmm. le directeur de l'école, là, m'avait demandé, c'est une école à une école de Kanambakache, mm. Euh, euh, département de Mayaï. Quand j'avais fait ces sensibilisations-là, le taux, le taux a augmenté. Il, il m'a beaucoup félicité. Le village, ils ont tenu une AG, ils m'ont beaucoup félicité. Et jusqu'ici, je vous dis que les femmes, ces filles-là sont devenues enseignantes. Donc, ces filles-là, elles peuvent occuper les postes et bien parler. Euh, mais les autres, là, celles qui sont, qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, vraiment, c'est, tout ça, là, c'est le goulot d'étranglement comme on le dit, il faut toucher un problème, tu verras encore, il y a encore un autre problème là-dessus. Madame Amina vient de toucher un problème. Tant que la femme n'est pas bien éduquée, elle ne peut pas occuper une peau de responsabilité, elle ne peut pas gérer un conflit. on, est, on est presque tous euh, d'accord par rapport à ça. As-tu envie de faire un euh, commentaire Oui, il y, y, a, y, a, une nuance qu'il faut faire. Vas-y. Être bien formé et euh, à l'école, aller à l'école par exemple, être scolarisé, mm. n'est pas, n'est pas conditionner, ne conditionne pas forcément mhm. la place que la femme doit occuper dans la gestion des conflits. Même si elle est importante. Elle est, c'est importante, mais ça ne conditionne pas. Parce que ici, aujourd'hui, au Niger, 76% des filles ne partent pas à l'école. Mhm. Mais pourtant, elles sont là, c'est des femmes. Et maintenant, les chiffres ont même évolué. Mais pourtant, dans les zones, dans, en milieu rural et tout, des femmes, elles ont des compétences. Elles gèrent des conflits sans pour autant euh, l'exemple des mm. femmes médiatrices. voilà. Mm-hmm. C'est des femmes qui n'ont pas été à l'école, mm-hmm. mais aujourd'hui, elles gèrent très bien des conflits. Mm-hmm. La question de l'éducation, elle est transversale. C'est très important d'éduquer. C'est un droit pour les jeunes filles. C'est bien, ça va faciliter plus leur participation politique, leur euh, euh, l'entrepreneuriat, ça va leur créer plus d'opportunités, mais quand même ce n'est pas une une condition de leur participation à la gestion euh, des conflits et même au processus de, la sécurité dans leur communauté. tu as envie de faire un commentaire Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les femmes les, jeunes filles ne sont pas assez scolarisées a un impact sur leur capacité de gestion de conflits Je dirais oui. Parce que la majorité de la population nigérienne n'est pas scolarisée. Là, c'est un, problème qui est là. Mais si on veut résoudre ce problème aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse avec les moyens de bord, avec ce qu'on a. Donc, c'est ce que elles ont expliqué. Elles n'ont pas besoin d'être scolarisées pour participer de la gestion des conflits. Mais ça veut dire qu'on doit travailler pour l'avenir. Mm. Ça veut dire qu'on doit travailler à ce que la génération qui est en train de se lever, cette génération future, puisse aller à l'école afin qu'elle puisse non seulement jouer le rôle de médiatrice, non seulement jouer un rôle dans la gestion des conflits, mais qu'elle puisse occuper des postes de responsabilité. Pourquoi pas le président de la République, je le dis toujours si les femmes n'ont pas cette chance d'aller à l'école, elles seront toujours reléguées au second plan et les responsabilités qu'elles auront seront toujours des responsabilités qui seront déléguées par les hommes. de ce fait, ils vont choisir ce qu'ils veulent attribuer aux femmes et ils vont garder le meilleur pour eux. on ne peut pas partager un gâteau et donner la part, la meilleure part à quelqu'un. Ils se partagent toujours la, part belle du gâteau et ils nous donnent ce qu'ils ne veulent pas ou là où on n'a pas assez de voix, où notre voix ne porte pas pour réclamer des choses. Donc je pense que l'éducation est extrêmement importante, et la scolarisation est importante, mais ce n'est pas une condition pour que la femme de maintenant puisse participer dans la gestion des conflits. Madame a dit, voilà. <laughs> Alors, le débat va évoluer. La sécurité de nos jours est aussi digitale. Là, je me tourne vers euh, la nouvelle génération, la nôtre. On parle depuis longtemps de cybersécurité. Dites-moi, euh, je commence par qui Rachida ou Kadija Je commence par Kadija parce que c'est elle qui est plus bavarde sur les réseaux sociaux. Kadija, comment arrivez-vous à faire comprendre aux femmes que de nos jours, la sécurité des communautés dépend aussi de nos habitudes sur WhatsApp, Facebook et les autres plateformes digitales. Euh, c'est un travail tout simplement de, sensibilisation qui continue. Mhm. Tout ce que nous faisons sur le terrain, nous le faisons aussi sur les réseaux sociaux en partageant nos actions, en essayant d'interpeller. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde est là-bas. Mais aujourd'hui, nous parlons de la femme et des jeunes filles. Et surtout sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les hommes qui décident de donner la parole aux femmes. Heureusement. <laughs> Heureusement que tout le monde est libre de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Je fais mon forfait, je, j'installe mon WhatsApp, mon Facebook, je suis libre. Bien que même là, on essaye de nous dire qu'on ne doit pas être là. Mais nous sommes là et nous essayons, de, monter, de dire aux femmes que c'est aussi un espace qu'elles doivent occuper pour pouvoir également continuer à jouer leur rôle et à euh, leur rôle de, de gardien à pouvoir travailler pour la paix en faisant attention à tout ce que nous partageons comme information, en faisant attention à l'image que nous donnons, au message que nous portons sur les réseaux sociaux, parce que ça, ça impacte énormément. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est, je dirais que c'est un couteau à double tranchant mm-hmm. On peut en faire, euh, être sur les réseaux sociaux, c'est pas mal, c'est pas un problème, mais l'utilisation que l'on en fait, peut créer un problème justement. Et, c'est quelque chose que vous expliquez aux femmes. Oui, et que nous devons être des modèles exact, aussi sur les réseaux sociaux pour montrer que nous sommes, euh, nous sommes euh, euh, des responsables aussi, nous pouvons occuper des responsabilités de responsabilité, nous pouvons interpeller, nous pouvons sensibiliser sur la paix, être vraiment des modèles, ne pas euh, être sur les réseaux sociaux pour encore donner plus de raisons à ceux qui pensent que voilà, la femme, elle ne peut rien faire de bon, elle est tout le temps là pour des loisirs, pour des futilités, pour faire ci, pour faire ça. C'est ce côté-là qu'on ne doit pas montrer également sur les réseaux sociaux et nous sommes là-bas pour sensibiliser sur Achida, tu as envie d'ajouter quelque chose Oui. Allez, vas-y très rapidement. de l'utilisation responsable surtout, hmm. parce que nous avons vu que c'est sûr pratiquement Internet que mm. même ceux qui recrutent les jeunes, que ce soit femmes ou garçons, pour les enrôler dans ces, groupes armés non étatiques-là, sont sur les réseaux sociaux et ce qu'ils partagent incite les jeunes femmes et les jeunes garçons à les suivre. Donc du coup, non seulement ce que nous nous partageons, mais aussi ce que nous nous recevons comme information doit être pris avec modération. Parce que selon plusieurs études, les jeunes commencent à se radicaliser justement à travers les informations reçues des réseaux sociaux. Donc il faut savoir consommer, mais consommer avec modération. Merci beaucoup, madame. Une autre question, vraiment générationnelle, récemment au niveau régional. Euh, il y a eu la mise en place euh, d'un réseau de femmes de lutte contre la paix. Est-ce que vous êtes impliqué Avant de vous répondre, je voudrais revenir sur. Euh, ça m'intéresse. Ah ouais, les réseaux sociaux vous intéressent Les réseaux sociaux. Madame 2.0. <laughs> parce que euh, vous savez ce que je voudrais dire. Hein. quel que soit l'effort que les uns, les unes ou les autres feront pour faire une participation responsable, dire des choses, la base, la souche, c'est déjà l'éducation. Mm-hmm de la fille et de la personne. Il y en a qui n'ont pas reçu de, au sein de leur famille, qui promeuvent certaines valeurs sociales, qui, quelles que soient, qui, ne sont même pas conscientes de cette participation responsable, qui laissent exprimer leur vraie personnalité, c'est comment ce qu'elles ont été, c'est qu'elles sont réellement. Mm-hmm. Bon, donc ça, de ce point de vue, il y a une limite à cette participation responsable. Mm-hmm. Il faut commencer par les parents à mieux éduquer les filles, d'une manière générale les, enfants, parce que ce sont les futurs acteurs du développement de ce pays. Mhm. Donc, euh, le, dans les réseaux sociaux, quel que soit l'effort qu'on fera, va surgir l'éducation, mhm. la, le vrai visage, comme on dit. Voilà. Maintenant, Alors, madame... Euh, en ce qui concerne ce, réseau, il, a été créé et je, nous avons je suis membre en tant que conseillère. Euh, je pense que euh, ce réseau, il ambitionne vraiment de faire le travail de, prévention et de gestion justement des, conflits. Et il est en train de s'installer dans les différentes régions. Est-ce que ces réseaux vous a permis d'apprendre d'autres pays et est-ce que ces réseaux aussi a permis à d'autres pays d'apprendre de chez nous Il y a des rencontres qui se font pas plus longtemps. Il y a eu une rencontre pour euh, mettre en exergue les bonnes pratiques pour, euh, pour qu'on s'enrichisse mutuellement mm. des bonnes pratiques. Euh, des, pays euh, qui sont membres du G5 Sahel. D'accord. Mm. Ça veut dire qu'au niveau global, les femmes sont aussi actives, pas seulement communautaires. Nous sommes presque à la fin de ce forum et nous allons faire un petit tour de table en une phrase. Madame, je vais commencer par vous. Brièvement, comment les femmes peuvent contribuer à la sécurisation de leur communauté En une phrase. En tant que médiatrice, tout simplement Oui, parce que la médiatrice, elle saisit de tous les problèmes qui ont cours dans sa, dans, sa communauté. Voilà. voilà. Merci beaucoup. Euh, Alors, donc, vous voulez ajouter quelque chose hum, C'est bon. Ok, super. Kadiza, en une phrase, comment la femme peut contribuer à la sécurisation de sa communauté Elle euh, a eu à le dire hum. en assumant tout simplement ses responsabilités dans la société. Merci. Madame Amina Lawali, aujourd'hui des femmes de Walam qui nous écoutent un peu partout au Niger, comment peut-elle assurer la sécurisation de leur communauté Oui, moi, c'est des recommandations que je vais faire. Allez-y, donc vous, c'est au-delà de, ah, phrase. oui, c'est d'intensifier les sensibilisations au niveau communautaire mm. sur les droits des femmes. Mm-hmm. Et, l'importance de la participation des femmes sur les prises de décision. Moi, je dirais en tant qu'éducatrice, en assumant leur rôle de mère éducatrice parce que un enfant éduqué à la maison à la base pour résister à toutes ces choses parce que on sait que la dignité les valeurs culturelles les valeurs sociétales sont transmises par la femme en contribution avec l'homme bien sûr donc si la femme joue pleinement ce rôle moi je me dis qu'on aura une société saine une société exempte de conflits c'est sur ces mots que prend fin le forum de ce soir Pilote d'avion, maraîchère, femme au foyer ou fonctionnaires, enfin, toutes celles qui travaillent jour et nuit pour un Niger debout, chères auditrices et auditeurs, dans l'espoir que vous avez compris le rôle et les contributions de la femme nigérienne dans la sécurité. On se dit au revoir. Retenez que l'éducation, elle est primordiale pour que la femme puisse assumer son rôle dans la sécurisation de sa communauté. Merci à nos invités, merci également à vous qui nous avez suivis grâce à nos médias partenaires. La technique a été assurée par une dame de fer, Amina, à qui je dis merci. Et la vidéo a été gérée par Issa Lawali. D'ici là, portez-vous bien et à demain pour la suite des programmes du studio Kalangu. Bye bye.